2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, euh, au programme du président Macky Sall sur le programme euh, David. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, l'année dernière aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comment en de dépôt, comment en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sulibet, OneXBet, URBet, Sulibet et euh, BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la reste dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la lenaze La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONAS est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONAS a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONAS pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONAS. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise. leen ak jàmm ci seen round-up de l'actualité sénégalaise fii ci seen chaîne Diaspora bi TV Ousmane Sonko fas na yéene yóbbu Cheikh Yérim Seck ci yoon journaliste bi nag dafa tuumaal leader de patriotes mu nekk ak jigéen ci anam bu rafetul ci corniche bi Cheikh Yérim nag nee na su ko yoon wooloo dina indi firnde ci li mu wax Adji Sarr ak Sonko yoon dina leen tàkkale kii di doyen des juges nag moo renvoyé dossier bi procès nit dof teg nañu ko loxo dañu koy toppee appel à l'insurrection people Fatou Laobé mere na trop Choco mi jabaru Moustapha Naam la sumbulu ak Xaas tàggalikoo nañu lii moo gënoon fës ci li xew ci semaine bi nest tuut ñu yaatal leen ko nag lañuy tàmbalee Ousmane Sonko rafetluwul li Cheikh Yérim Seck bind teg ko ci kawam journaliste bi ci livre bu bees bi mu génne dafa wax ne Ousmane Sonko dañu ko bett ci corniche bi benn guddi muy sekk ak benn jigéen mbir mi nag ci biir otom la ko doon defee loolu nag neexul Ousmane Sonko mi wax ne jox na ndigal ay avocatam pour Cheikh Yérim indi ay firnde ci journaliste bi moom li mu wax am na ci ay firnde ndax baleen fa police fekkee dafa bind kayit jox ministre de l'intérieur Mon mu jébbal ko Macky Sall Cheikh Yérim Seck 2019 si campagne électorale bi Macky nag dafa wax ndax dafa bëgg a gagné élection te du taqal kii di adversaire am bi Cheikh Yérim moom yàq na lu mel ne xamee waa Pastef amuñu culture politique moo tax waaye bu ñu demee ci yoon moom dina génne këyit bi koy firnde dañuy desandi ci justice ak Ousmane Sonko mi Adji Sarr jiñ sàkku ak menace de mort kii di juge Maham Diallo nag décidé na jàllale dossier bi chambre criminelle bu tribinale bu Dakar mooy def procès bi Sonko nag moom génn na def live pour wane taxawaayam kii di leader des patriotes nag nee na lii yëpp politique moo ko lal moom ñëwaat na ci dossier ci dossier bi ne amul dara lu ñu koy mën a toppee nee na certificat médical bi rekk waroon naa tax di Maham Diallo classé dossier bi Son nee magistrat bi commande politique lay exécuter mu yok ci amul kenn ko mën a tere mu ci 2024 bi ci kaw lolu dina doxal li nga xamné ak ak yellefam moo ko ko may muy résistance Bataille si ci dossier bi bala ordonnance de renvoi bi di génn Ndiaye journaliste Wolf bi trois magistrats nguur tànn na leen pour ñu doxal procès bi ba tey ci justice Adji Sarr moom bëgg na Walf ak chroniqueuram bi mu leeral li muy teg ci deram moom citation à comparaître le servir chroniqueur boobu Adji Sarr dafa bëgg Cheikh Bara indi ay firnde ni tëdd na ak 16 personnes benn élément GIGN moo ko hébergé Adji Sarr tamit bëgg na ay firnde ci li chroniqueur bi ni Max moo jël ndawam nit dof arrêté nañu ko moom nag këram la ko policier yi jëlee sûreté urbaine ñoo ko jël si ci diggalu procureur rappeur bi yoon daf ko toppee appel à l'insurrection mooy woote fitna jëmale ko ci nguur gi kii di rappeur bi nga xam ni nëbbul ni ci Sonko la far moom ren mujjul amal concertam bi mu daan def chaque année Iba Mar Diop show of the year préfet daf ko tere ndax nee na stade bi mënul garante garantie sécurité nit ñi ñëw foofu loolu loolu nit def nee na yëfi politique rek la nee na li mu far ci Sonko moo tax nguur gi di ko xeex ginnaaw loolu moom dafa dagg ay saaga ci benn live bi doon def commentaire dossier Adji Sarr Sonko bi ak actualité ak people nag la ñuy jeexalee suñu round-up bi woykat bii di Fatou Laobé moom rafetluwul dara lii Choco mi teg ci kaw deram bi ba tax na loolu indi ay fitna seen diggante ñu nekk di saagante ak waxante lu ñaaw ci tiktok bi ba ñu bari daal di àddu ci mbir moomu ba tey ci people ñu wax ci diggante Moustapha Nam ak Virginie mi nga xam ne dañ doon marie ci dimanche bi kooku di nag daan nañ wax ne Bamba la doon génnal mais finalement Moustapha Naam moo ko mujjee takk ñu leen di ñaanal suñu bàkkeer lii moo gënoon fës ci seen round-up de actualité de la semaine di leen jox di daje ci ay yeneen émission 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, euh, au programme du président Macky Sall sur le programme euh, David. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, l'année dernière permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONA d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comment de dépôt, comme retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et euh, BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la reste dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LENAS. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONAS est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la Lonaze a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la Lonaze pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONAS. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise.